pour def ko dañu wara and pour defar réew mi dañu wara and pour taxawu Sénégal motax premier première live bi nga xamné ne ko ma décidé won def ko ak euh, les jeunes euh, les jeunes sénégalais euh, qui vivent ici au pays mais aussi les jeunes sénégalais qui vivent dans la dans la diaspora parce que ici ci diaspora bi xamna effectivement fu leen fu leen réew mi donc donc bëggone euh, à l'entame euh, de mon de mon propos euh, commencer voir déjà ci problème de euh, lan politique de jeunesse mais xam dans mon programme nit ak pour vous je vous exhorte à aller dire et à regarder cet ambitieux ambitieux programme que nous avons mis en place que nous avons élaboré pour le Sénégal projet de société bu am solo bu ñu tuddee nit donc pour résumer très rapidement projet le programme projet de société il y a quatre piliers xam nga vous euh, quatre piliers le pilier bu euh, le capital humain Le ah, capital humain c'est la jeunesse de notre pays parce que nous sommes ni Sénégal 68 de notre population a moins de 35 ans donc ce qui veut dire que nous sommes une nation jeune euh, ce pays est extrêmement jeune nous on est convaincu dans notre programme nit ak que lepp euh, le prochain président de la république dina ko taxawal lepp lo xamné euh, le prochain gouvernement war ci li prendre en charge les préoccupations de notre jeunesse c'est fondamental et donc premier pilier sur le capital humain ça tourne autour de ça de la formation de l'éducation de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et technique, de l'apprentissage, euh, des questions de santé, euh, mais prendre en charge aussi les problématiques qui sont liées à l'emploi euh, à l'emploi des jeunes, mais aussi d'inclure koy en charge priorité de bi sur la croissance sur la croissance économique sur une croissance durable compétitive loolu it nous bëgg ci régler le problème du chômage au Sénégal mais surtout euh, qui pilier euh, de bi ñu aussi euh, les jeunes mais aussi les femmes parce que c'est important di voir wax suñu cadre de vie le deuxième pilier mon pilier important moi bi ma voir les programmes programme nit une croissance économique durable bu inclusive mais surtout créer une résilience de notre économie mais il faut que nous puissions en charge les problématiques, euh, les problématiques de notre, euh, du chômage euh, dans le domaine de l'agriculture. Parce que les c'est de renforcer, en tout cas de développer notre économie. C'est ce que nous avons effectivement qui, qui renforcer notre secteur primaire. Qui parle du secteur primaire parle évidemment de notre agriculture, parle de notre pêche, parle euh, de, notre, euh, de notre élevage euh, c'est très très très important donc investissement il nga dans l'agriculture et moi je parle de ce retour vers l'agriculture la jeunesse de notre pays doit être la force qui la force de notre agriculture Nous effectivement dans le cadre de ce programme nit ak nous moderniser notre agriculture nous mécaniser notre agriculture mais aussi booster l'agribusiness, mettre à la disposition des jeunes euh, le foncier dont ils ont besoin pour, euh, pour travailler la terre, pour euh, moderniser notre agriculture, mettre à la disposition des jeunes les financements dont ils ont besoin, mais surtout les outils de production dont ils ont besoin, certainement, mécanisation bien nga xam ne koy donc sur agriculture réelle, nous ko développer bu notre jeunesse ne, n'est pas investi, ne s'investit pas à fond dans le secteur agricole, dans l'agribusiness. Dans euh, et dans, par exemple, dans le domaine de l'élevage aussi, il faut que nous moderniser euh, sous l'élevage, il faut que nous créer des chaînes de valeur agricoles, euh, des chaînes de valeur, notamment dans le domaine de l'élevage. Mais nous aussi dans la pêche. Pêche bi, euh, jeunesse bi Ni pêcheurs, ce sont des gens qui sont quand même qui sont très jeunes, am engagement bëgg ñu bëgg effectivement ànd ak ñoom ba nga xam ne <clears throat> ni mu yàqoo tey pêche bi nga xam ne euh, dafa nekk quand même aussi un moteur important de notre économie ñu mën ko gën a euh, redynamiser euh, les contrats de pêche les licences de pêche wax naa leen ko waxati leen ko bu ma ñëwee en tant que président de la république ñu ko xoolaat ñu ko càmbar ñu ànd les acteurs de la pêche liggéey la pêche mu mën contribuer ci li nga xamné loolu donc secteur primaire pour que war na mën nek euh, levier bi nga xamné dinañu permettre ñu régler le problème du chômage des mais là, pour def il faut injecter des financements importants euh, ci secteur mais moo tax euh, ci pilier 2 bobu ñuy wax que ni dañu war a dooleel secteur privé national parce que tant que dooleeluñu secteur privé national bi nga xam ne mon mot à investir dans notre pêche dans notre secteur dans euh, dans notre secteur primaire euh, euh, donc nous voulons aussi les créer des champions nationaux secteur privé national contribuer à l'effort de développement de notre pays parce que nous savons que notre secteur privé national n'a pas les moyens qu'il faut Nous andi ay investissement mais surtout créer ay emploi créer ay unités de transformation créer euh, en tout cas lepp lo secteur primaire bi injectons des soxla ay capitaux pour que euh, nous puissions créer ay emploi mais lolu aussi bokay wax do le secteur secondaire notamment industrialisation nous avons xamné euh suñu réew industrie yëpp day nañu ah ñu yaakar jeunesse euh, surtout pour nous aussi euh, mën a liggéey dans ce domaine là mais loolu mooy li ma wax sànq secteur privé national bu fort moom mooy injecté dans l'industrialisation mooy créer ay unité industrielle euh, petite et petite et moyenne entreprise petite et moyenne euh, unité industrielle yi nga xam ne le secteur privé national war na ko mën créer mën a créer waale su boobaa ay emploi pour xale yi effectivement mën a jeunesse bi mën a am mën a am li nga xam la soxla donc qui euh, pilier de nit ak vraiment euh, ci économie beaucoup de les vraiment dañ ciy wax lu régler effectivement les problèmes de chômage nan surtout régler les problèmes de formation euh, les problèmes d'éducation de manière générale parce qu'il il faut que nous, jeunesse jeunes pour que nous soyons liguer, pour que nous soyons à il faudrait absolument que nous menons les former les meilleurs formations nous avons les formations euh, aussi bien au niveau euh, de l'enseignement de manière générale de wax naa bu la réforme majeure yi nga xam enseignement pour que mu nekk enseignement former de très bons cadres nous former les au niveau du primaire la meilleure formation possible, en tout cas la meilleure éducation possible. Au niveau du secondaire, nous devons booster les indicateurs, résorber les infrastructures, le déficit d'infrastructures, mettre les enseignants dans d'excellentes conditions de travail, parce que c'est important pour que nous nous formions mais au niveau de l'enseignement supérieur et de la formation technique et professionnelle. Je pense que Fofo, nous sommes effectivement euh, pour chambre, pour hall, la difficulté enseignement supérieur nous naa ko bëgg organiser les assises de l'enseignement supérieur bu ba nga enseignement supérieur bi condition yu metti yi nga ne la étudiants Nous nekké les conditions nous ñu dindi yombalal créer ay universités yo xamné c'est des universités d'excellence, euh, avec une formation avec des formations de qualité dans tous les domaines notamment dans le domaine des sciences euh, dans le domaine euh, de la technologie, dans le domaine des mathématiques et dans le domaine des sciences de manière générale. Nous aussi euh, pousse nos étudiants dans ces domaines-là, dans ces domaines de pointe, mouille technologie, mouille science, mathématiques, mouille médecine, mouille biologie, mouille vraiment ay métiers yo xamné dans nos Donc pour régler le problème du chômage, il faudrait absolument que nous adaptions nos enseignements aux réalités du marché du travail loolu c'est fondamental je koy wax tout le temps parce que am na formation yoo xam sous nos jeunes nous ñu nous koy suivre dañ koy suivre ba nous bu ñu génnee daanaka du ñu am loo xam ne mën nañ ci même pour ñu am stage problème donc il faut aussi que dans le domaine de l'enseignement dans le dans le domaine de la formation nous menons liguer avec le secteur privé ba nga xam ne yi dans les universités ou dans les dans les instituts euh, de formation euh, supérieure nous avons aussi des possibilités d'avoir des stages professionnels en alternance en entreprise comme nous ko réew développer. développé yi di defee ba nga xam ne xale diplôme au au même moment euh, déjà nous nañu déjà en entreprise ou en organisation nous avons xam nous bu rek duñu donc correction euh, wala coordination boobu nga xam war nañ ko def entre l'enseignement public supérieur et le secteur privé loolu bëgg nañu nous allah mais leneen li aussi moi, il faut que suñu secteur privé aussi mën euh, investir wala mën contribuer wala intéressé wu encore davantage ci suñu enseignement technique et professionnel ba nga xam ni euh, euh, ba enseignement supérieur ba ba nga xam ni euh, dans le domaine de la recherche fondamentale te nga xam le secteur privé da koy soxla yenn entreprise yi nañ ko soxla ñu mën ci liggéey ak université yi ba nga xam ne étudiants yi dinañu mën a am euh, dinañu mën a am loolu euh, ay possibilité ba nga xamné buñu génné dañ ci mëna a dinañu mëna am opportunité wu liggéey mais loolu moy ñi nga xamné dañ nek nekk ci université mais ma bëgg aussi que dans les écoles de formation technique et professionnelle les écoles d'apprentissage loolu aussi war nañ ci def liggéey bu am solo sama ambition moi, effectivement ñu faire def en sorte que euh, à partir de euh, à partir de peut-être après le bac ou euh, même bien avant le bac nous créer des écoles yo dans toutes les régions dans tous les départements du Sénégal euh, xalé yi dinañu mëna dem def ay formation yu mucc ay ba nga xam ne bu am donc c'est fondamental il faut que vraiment ñu notre politique d'emploi des euh, des jeunes euh, en tout cas nos politiques de jeunesse de manière générale, pour créer les conditions optimales pour que notre jeunesse puisse être absorbée par le marché du travail. Parce que bon, les euh, dans chaque année dans le marché du travail, pour pratiquement 300 euh, 000 jeunes. Euh, yo xamné dañuy ñëw bëgg liggéey finalement euh, duñ ko mëna am donc muy accumulé wu di accumulé wu tay suñu taux de chômage dans ce pays mu ngi ci autour disons de de de pratiquement 21-23% ma jàpp ne sax passé nako ko euh, d'autant plus que xale yi ko ci dajel il est en train de chercher euh, un travail il est en train de chercher quelque chose à faire donc euh, mais lolu euh, nek na lo xamni ne bëgg nañ ci taxaw mais aussi ñu bëgg taxaw ci euh, notamment euh, les jeunes yi nga xamni ni ils n'ont pas euh, ils n'ont pas de euh, ils n'ont pas de de de comment on appelle ça de diplôme mais nous savons que nous soxla effectivement euh, nekk di euh, wut aussi ay opportunités yo xamné ne dina leen donc euh, loolu yëpp dinañ ko jël en charge ci jël nañ ko en charge déjà ci suñu programme nit ak maintenant dans le domaine du numérique c'est extrêmement important parce que d'abord tay fi aduna bi toll il faudrait que nous mëna former nos jeunes dans les métiers du numérique parce que loolu moy tax nous mën régler ay problèmes Donc, si bëree bëree donc les petites et moyennes entreprises on a ko ci nos programme nit ak naataangi am Amener liggéey boo xam nañ ko ci programme dans le domaine du numérique mais d'abord il faut que euh, nous assurions assurer euh, l'accès au numérique à toute la jeunesse de notre pays mais je dirais simplement à toute la population sénégalaise puisque si euh, boo amul internet daanaka tu peux absolument rien faire Si amee start-up boo créer start-up dans le domaine du numérique boo bëggee créer ay petite et moyennes entreprises euh, bu fekkee ne tu n'as pas accès au numérique tu n'as pas accès à l'énergie loolu daanaka dafay am ay am difficultés donc yooyu ay ay fondamentaux la yoo d'abord et avant tout nous bëgg nañu euh, cette fracture numérique là wàññeeku na mais bëgg nañu en tout cas avant 2027. Sénégal fu nit mën accès à l'internet accès à l'énergie parce que c'est fondamental qui finit ñu donc euh, mais aussi euh, les modalités en tout cas les mécanismes de financement yi nga mettre en place pour accompagner les initiatives et les euh, les initiatives des jeunes notamment au gouvernement du Sénégal il y ay initiatives yu bëree mettre en place mais ñu jàpp ni euh, impact bi nga xam ne na ko am ñun euh, ce que nous voulons faire c'est évidemment bu ñu au pouvoir de prendre de de voir toutes ces initiatives là de voir quelle est euh, leur valeur ajoutée ba nga nous avons dinañ mën am une approche beaucoup plus coordonnée Amna na ANPEJ am na DER am na ak yenen ak yenen yo xam ñu ngi fi mais ma japp ne euh amna coordination amna interaction intégration boo xam war nañ ko ci mëna def euh, par exemple les fonds de garantie ils fonds 6, ils font jib Nous nous war une approche beaucoup plus intégrée Nous euh, avons beaucoup plus d'impact jeunes yi nga xam projet porteur de projet Nous avons am ay financement am ay garantie euh, dinañ créer ay mécanismes mécanisme qui nous permettre de manière intégrée nous avons préparer ce dossier d'ailleurs ñu déjà il y a des organismes d'accompagnement Nous avons accompagné pour monter ce dossier euh, nga mën a soumettre mu nekk benn circuit boo xam ne c'est un c'est un circuit beaucoup plus harmonisé euh, te du du am du am trop trop de problème du am ay lenteur donc yooyu euh, nekk na aussi ay arrangements institutionnels yoo xam ne incha allah bëgg nañ ci bëgg nañ ci taxaw mais leneen li aussi mooy la part des jeunes dans les marchés publics loolu bëgg naa aussi mu nekk loo xam ne lu ñuy systématiser donc ñu ngi xalaat en tout cas entre 25 à 30% des marchés publics euh, dañ ko bëgg les jeunes et les femmes pour que nous mën ci bénéficier amna loi yu existé déjà yu am ci domaine bobu mais nous, devons, ñu nous, dañ ko les jeunes entrepreneurs les jeunes sénégalais de la diaspora et qui vivent ici dans le pays am des projets wala am ay entreprises yo xamné mën nañ missioner ci ay marchés publics mais nous jappalé aussi en termes de financement euh, en terme de garantie ba nga xam marché public yi ñoom dinañ ci mën compétir mën am et puis mën ci euh, mën ci mën a soumissionner exécuter te bu exécuter évidemment ñu jox leen euh, ñu rembourser leen fay leen seen xaalis bi nga xam ne lañ leen lañ leen c'est ça qui va permettre effectivement pour que ñoom ñu mën a fructifier gën développer seen seen seen business. mais ben, leneen bi mooy microfinancement bi je crois que entreprise yu bëri wala petite et moyenne entreprise yu euh, de nous en tout cas 80% des petites et moyennes entreprises euh, ne dépassent pas bu ñu créer en tout cas de que fekkee le premier anniversaire avant le premier anniversaire de fekk petite et moyenne entreprise bi wala start-up bi daanaka euh, existait. 80%. donc nous donc aussi accompagner les petites et moyennes entreprises les jeunes entrepreneurs yi nga xam l'audace dañu nous aussi à euh, monter son business avec des fonds d'amorçage mais aussi avec encadrement accompagnement pour mën liggéey te loolu am na déjà dans plusieurs pays en Afrique euh, pour appeler les jeunes mais aussi pour mettre en place un peu partout à l'intérieur du pays des euh, incubateurs loo xam ne ay pour mën les jeunes dans leurs idées euh, dans l'élaboration de leur projet euh, ba nga xam ni ay start-up la ñu bëgg ñu mën leen ba nga a taxawal ak ay fonds d'amorçage euh, donc donc voilà c'est ça que je voulais je voulais dire en en termes de en termes d'emploi des jeunes mais de manière ramassée euh, xam naa ni li ñu ci wax bari na mais aussi di wax ni les mauvaises politiques d'emploi des jeunes la mauvaise gouvernance mon mot waral euh, cette émigration clandestine que nous vivons alors may wax ni dire que li nga que nous ñu a naxari fait de ñu euh, ci li Sénégal di jël di dem Atlantique euh, di dem Espagne ko ci Atlantique ci ci pour Sénégal ah

Moi, j'ai l'habitude de dire à la jeunesse de notre pays, ne partez pas. Restez dans ce pays. Nous avons besoin de vous pour construire ce pays. Nous allons vers une économie du pétrole et du gaz. Nous avons besoin de notre jeunesse. Nous allons redévelopper notre tissu industriel. Nous avons besoin de, de, personnes, en tout cas, euh, de, de, capital humain qui va travailler dans notre industrie. Nous voulons reprendre notre industrie, nos industries, en tout cas le secteur industriel. Nous voulons accompagner les petites et moyennes entreprises. Nous voulons apporter, euh, réorganiser, euh, en tout cas, euh, l'arsenal institutionnel dans ce domaine-là pour faciliter la création d'entreprises, l'accompagnement. Nous voulons créer une banque nationale qui va financer le développement de notre pays. Et dans cette banque, au sein de cette banque, nous allons avoir un guichet jeunesse entrepreneuriat qui va financer l'intégralité des projets euh, que notre jeunesse va, soumettre et que nous allons pouvoir accompagner. Donc, euh, je ne veux pas euh, l'avenir de notre continent, de la jeunesse du Sénégal et du, continent africain n'est pas en Europe. Et le destin de notre jeunesse n'est pas de périr dans l'Atlantique. Nous voulons que vous restiez sur ce continent réunis. Les qui changer, qui changent le diable. Inch'Allah, la politique que nous allons mettre en place, ou les politiques publics que nous allons mettre en place, nous allons les mettre ensemble avec la jeunesse de notre pays. Et l'autre chose, c'est la participation des jeunes dans la gouvernance démocratique, euh, dans les processus politiques. Et ça, c'est extrêmement important. Et je voulais finir par ça, euh, pour dire que la jeunesse euh, a un rôle important à jouer. Et l'une des réformes phares de notre, de notre programme NID Aknatangé, c'est de mettre en place ce que nous allons appeler le Conseil supérieur de la jeunesse. Et ça, c'est fondamental parce que ça permettra à la jeunesse de notre pays de pouvoir initier, en tout cas de pouvoir travailler avec le gouvernement, avec les institutions de la République, pour que les besoins, pour que les préoccupations de la jeunesse de notre pays soient prises en compte. Et ils seront là pour voir, ils seront là pour mettre leurs mains dans ce qui est, dans leur, et leurs bras dans ce que nous allons faire. Ils seront à l'initiative, on va les consulter, on va les associer à l'initiative des politiques publiques ils seront partie prenante de l'exécution de ces différents projets et programmes que nous allons mettre en place. Et ils seront aussi partie prenante du suivi et évaluation de ces projets. Ensemble avec la jeunesse, nous tirerons les conclusions. Euh, nous allons voir comment encore améliorer les choses que nous faisons. Donc, cette jeunesse-là, on en a besoin. Et certainement, dans, dans le cadre de la représentation euh, au sein des, euh, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale. Peut-être même nous irons jusqu'à avoir les quotas pour les jeunes, parce que pour moi, c'est fondamental d'avoir euh, une représentation de la jeunesse au sein de notre, euh, de notre Parlement, mais aussi dans les institutions que nous avons, le Conseil économique et social et les autres institutions. Évidemment, nous, avons, nous pensons qu'il faudrait certainement les revoir. Donc, mais au moins au niveau du Parlement, ce serait bien d'avoir un quota pour les jeunes qui vont certainement pouvoir siéger à l'Assemblée nationale et prendre en compte certainement les besoins euh, de la jeunesse. Donc, de manière avancée, nous laa pour partager à vous euh, bu vous faites ay euh, ay réaction nous commençons à donc di vous remercie. ñun suñu parti xam ngeen ni euh, dañ koy woowee le parti des valeurs parce que loolu moo am solo bala ngay tabax réew da ngay tabax nit ba pare moom la ñuy wax le capital humain nga xam ne nit ki dina am mentalité bu tax mu xam lan mooy responsabilité lan mooy identité en tant que sénégalais ban taxawaay la war a taxaw ba nga xam ni li ñu yaakaar ci moom pour mu taxawee ko réew mi loolu dina ci dina ci. lii sa écran bi tapoteuse la. ah gars yi tapote gars yi tapote. waaw kay pour ko mu yegg. buñ buñ buñ signalé live bi day dagg. Ah. on tapote foofu les si mu tapote pas on va signaler le live. tapote live bi nag. mu yegg ba neuf millions like. so. We love Aliu. yeah, we love too, right? We love too. Berger, mom, you're good. Voilà, hi again. I'm good. Voilà. Yeah. yeah, that's great. So, je ferme la porte. That's great. Voilà, je vais faire une brève introduction de, de notre candidat, l'excellence, voilà, son excellence, M. Aline Mamadou Voilà, got a little bit right. A short, introduction of that character. Yeah, Sénégalais d'origine, Aline Mamadou Dia est un fonctionnaire international ayant longtemps travaillé au sein des Nations Unies et plus particulièrement au programme de la LADIT, Organisation pour le développement de PNUD. Avant d'intégrer le système des Nations Unies, il a mené pendant plus de cinq ans des activités de recherche et d'enseignement universitaire dans le cadre des travaux de sa thèse de doctorat au département de géographie de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. Voilà, pour moi, c'est la meilleure des universités. Au laboratoire de télédétection appliquée de l'Institut des sciences de la Terre de la même université et au laboratoire de géosciences de l'Université de Marne de Vallée en France. Il a aussi mené plusieurs missions de consultation avec des bureaux d'études internationales. De 2019 à 2023, M. Aline Mamadouja a servi comme représentant, président du PNUD au Togo, où il a assuré des fonctions de coordinateur